le forum le forum le forum forum le forum Très ravi de vous retrouver ce jeudi 4 mai 2017, fidèles auditeurs, et merci de ne pas manquer. À votre rendez-vous quotidien, le forum du studio Kalangou, où nous discutons des questions qui vous tiennent à cœur. Le forum du studio Kalangou, un espace d'échange, de partage d'idées pour tenter de changer ou faire avancer les choses. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. 18h15 et 16 minutes, restez avec nous pour ces 45 minutes à venir. Nous, vous nous suivez à travers 20 radios partenaires disséminés dans les huit régions du Niger. Estimé à près de 20 millions d'habitants, le Niger euh, dispose euh, d'une population majoritairement jeune et féminine. Plus d'un Nigérien sur deux a moins de 15 ans et est une jeune fille. Selon les statistiques de l'Institut national de la statistique, INS, les femmes représentent plus de la moitié de la population nigérienne, dont 38,52% de filles sont scolarisées et le taux des femmes analphabètes avoisinerait les 88%. Malgré ce poids démographique, les femmes connaissent des difficultés à prendre part au débat politique. Euh, cela s'expliquerait en partie par le faible expliquerait en partie le faible prouesse au consultation électorale. Du coup, les femmes sont peu présentes au poste de décision et ce, malgré l'existence d'une loi qui consacre le quota dans ce Niger démocratique depuis plus de depuis plus d'un quart de siècle où ce sont toujours les hommes qui tiennent les grands et principaux rôles, les reines du pouvoir en somme. Vous le devinez aisément, le thème de ce soir, c'est la participation des femmes dans la vie politique au Niger en d'autres termes. Comment faire, un d'autres termes, comment faire pour que les femmes participent significativement à la vie politique au Niger. Messieurs, dames, pour vous permettre de comprendre cette thématique, euh, combien importante, voici comment nous procéderons. La première partie de ce débat traitera de la participation trop limitée des femmes à l'activité politique, le lieu pour nous de faire l'état des lieux ou la situation des femmes sur la scène politique. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi les femmes sont cantonnées à jouer les seconds couteaux dans les partis politiques, comment faire pour qu'elles accèdent à à toutes les fonctions, à des hautes fonctions, quels sont les obstacles socioculturels, notamment qui se dressent devant la femme engagée ou qui tente de s'engager en politique, l'importance du rôle des femmes en politique, pourquoi est-il important pour que les femmes tiennent des rôles surtout ce important politique, quelles sont les femmes politiques qui ont marqué le Niger, constituera la deuxième partie de ce forum. Nos invités, Balkissa Dibri Abarchi, secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes du Niger, conseiller juridique à la Commission nationale des droits humains. Bonsoir, Balkissa Djibil Abarchi. Amadou Ramatou, présidente régionale des femmes Lumana Tilaberi, vice-présidente régionale. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et docteur Soulé Rabi de la mouvance. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Agname, vous suivez les programmes du studio Kalangu sur Infani FM et Alternative FM. Diallo Maria Makenda au micro. Nous entamons la première partie de ce débat avec la très faible participation des femmes aux activités politiques. C'est le lieu de faire l'état des lieux, la situation des femmes sur la scène politique. Peut-on parler peut-on parler d'une faible participation de la femme nigérienne dans la vie politique dans notre pays Je commencerai par Dr euh, docteur euh, Rabi. Merci madame. Donc euh, comme vous avez parlé de l'état de lieu et de faible participation des femmes dans la vie politique, moi je pense qu'il faut situer tout ça dans un cadre général dans un cadre, cadre euh, international, dans le cadre sous-régional et dans un cadre national. Donc, si vous regardez la lutte des femmes, elle s'est intensifiée dans les années 70, que ce soit en Europe, que ce soit au niveau des, Amériques et tout. Et depuis lors, si vous faites un peu l'état de lieu de ce qui s'est passé en Europe, vous vous rendez compte de ce que les avancées, il y a eu des avancées, mais c'est des avancées timides. Donc le Niger ne déroge pas à toutes ces règles. Mais quand vous retournez en arrière par rapport à la cause spécifique du Niger, il y a certes une faible participation des femmes dans la vie politique, mais il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup d'avancées. Même si c'est timide, je pense qu'il y a eu des avancées positives. Balkissa Djibri Labarchi, secrétaire générale donc adjointe de l'Association des femmes juristes du Niger. Pour vous, est-ce qu'on peut dire que les femmes au Niger sont représentatives sur la scène politique Merci, madame. par rapport à la représentation politique des femmes au Niger, je dirais euh, qu'elle est très faible et beaucoup reste encore à faire. Euh, parce que si on tient compte euh, du, contexte, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, notamment surtout les facteurs socioculturels qui font que la femme, elle est encore, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours euh, reléguée au, au, second rang. Donc la participation politique des femmes, euh, elle est très faible, malgré les mesures positives qui ont été prises je pense que pour le moment, la femme, elle n'est pas aussi représentée dans les instances euh, de prise de décision, malgré euh, les différentes luttes qui ont été menées par les femmes. Et surtout si on prend euh, à partir de la décennie de la femme en partant de la conférence de Beijing où on avait demandé vraiment aux États euh, en partant du constat que les femmes ne sont pas représentées dans les instances de prise de décision, de prendre des mesures positives tendant à accroître la participation politique de la femme. Je pense que, en tout cas, jusqu'à présent, dans le contexte nigérien, beaucoup reste encore à faire. Les femmes sont-elles capables en réalité de tenir des postes euh, politiques Je suis avec euh, Adamou Ramatou de Lumana. Merci. <clears throat> madame. Je vous remercie sincèrement de nous avoir euh, invité à votre studio pour permettre de parler d'un problème brûlant, la participation des femmes au niveau, de politique. Et les femmes sont belles et bien capables d'occuper des postes de responsabilité. Mais on fait face à certaines restrictions de la part de nos hommes vous n'êtes pas sans savoir que dans les partis politiques, les femmes sont plus nombreuses. Elles sont aussi les mobilisatrices des électeurs. Les femmes, ce sont elles qui font tout le travail des élections. Mais au finish, lorsqu'il s'agit de faire la part du gâteau, les femmes sont écartées. Elles ne sont pas et au parfum des choses. les décisions sont, sont prises tard. Alors, alors, vous êtes en train d'anticiper un peu sur euh, les, les, les, les, raisons euh, de cet état de fait, c'est-à-dire euh, du fait que ces femmes ne sont pas au devant de, de, cette scène politique. On va y revenir. On parle trop souvent, on est toujours dans cette logique du manque de crédibilité des femmes en politique. Au Niger, la principale cause euh, de la faible participation des femmes à la gestion de la cité serait due au taux d'analphabétisme. La fillette en âge d'aller à l'école a moins de chances que son frère de poursuivre une scolarité normale, donc faible accès des femmes à l'éducation. Êtes-vous d'accord avec ce constat Continuez. Je suis donc toujours avec suis, Adamou de je suis totalement d'accord parce que si vous prenez sur 100 femmes, les 88% sont analphabètes. Donc, elles ne peuvent pas relever les défis escomptés. Malgré tout, il y a des femmes capables. Il y a des femmes capables de diriger mieux que les hommes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une femme a honte d'échouer dans sa mission. Elle fera tout, elle se donnera corps et âme afin d'aboutir. Mais il y a des obstacles. L'analphabétisme n'est pas seulement une cause qui freine et la, représentation des femmes au niveau des instances de décision. Il y a plusieurs causes, parmi lesquelles je peux vous citer. Il y a le manque de confiance des femmes. Elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Il y a les femmes manquent de solidarité entre elles. Elles sont très jalouses l'une à l'égard de l'autre. Si par exemple une femme est ministre aujourd'hui, les autres voient qu'elle est en train d'émerger. Alors, alors je vois que eh, Adamou euh, Ramatou est bien en avance euh, ah sur cette question. Il est vraiment un peu pressé Bon, c'est tout à fait normal. Je reviendrai avec euh, docteur euh, Soulé Rabi euh, pour parler de, ce taux. Hein. Qu'est-ce qui expliquerait que seulement 38,52% de ces filles sont scolarisées un taux de femmes analphabètes qui avoisinerait les 88%. Euh, merci, mais moi je pense que ce qui explique ce taux, c'est plusieurs dimensions, plusieurs variables. Il y a le contexte socioculturel, il y a les pesanteurs liées à la religion, parce que je pense que la religion, c'est un des éléments importants chez nous aussi qui explique euh, euh, tous ces taux dans l'alphabétisme et le, culturel. Quand vous regardez les femmes normalement sont destinés aux travaux domestiques. Ça, c'est vraiment la conception de base par rapport à la femme dans nos pays. Mais de plus en plus, avec l'évolution, la mondialisation, l'information, l'éducation et la sensibilisation de la communauté, les choses sont en train de changer, mais de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière pas très rapide, mais de manière très timide et je pense qu'on doit continuer à faire le plaidoyer, à faire l'information, l'éducation et la sensibilisation de la communauté en incluant, en incluant tous les, tous les leaders d'opinion au sein de la communauté. On, il faut qu'on arrive d'abord à convaincre tous les leaders d'opinion parce que euh, dans notre communauté, les choses sont bien hiérarchisées. Si on arrive à avoir l'adhésion des leaders de, la communauté, je pense que les autres suivront. Il y a eu certes des avancées, hein, mais il faut qu'on continue le plaidoyer, qu'on continue l'information, la sensibilisation du public. Alors, euh, Et qu'on joue sur les pesanteurs socioculturels et aussi à des facteurs économiques. Parce que si vous regardez, certes, euh, il y a la gratuité de la scolarisation jusqu'à un certain niveau, mais il y a toujours quand même des frais additionnels qui s'y ajoutent et du coup ça devient difficile pour les familles parce que sur le plan économique, il y a toujours des retombées et les familles ne sont pas au point pour pouvoir répondre à ces retombées. Merci. Mbarki la Abarchi, secrétaire général adjoint de l'Association des femmes juristes du Niger, on voit que même si cette jeune fille arrive donc à, franchir l'étape du, primaire, euh, au collège, cette fille euh, est très tôt euh, ramenée euh, sur le terrain. Elle est carrément. On peut donc freiner ses études en la faisant sortir de l'école. Oui, effectivement, par rapport à cette question de scolarisation de la jeune fille, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus, en tout cas qui se manifeste, mais le problème qui se pose, c'est le maintien des jeunes filles à l'école. À un certain niveau, juste à partir du collège, on voit le plus souvent que la jeune fille, elle est, en tout cas, pour plusieurs raisons, peut-être pour des raisons économiques, pour des raisons socioculturelles, les raisons économiques, parce que le plus souvent, la famille n'a pas assez de moyens pour prendre en charge les études et également pour les facteurs sociaux, culturels, il y a la question des mariages précoces qui est encore d'actualité dans certaines régions. Et ce facteur également a vraiment un impact considérable par rapport à la scolarisation et au maintien des, des jeunes filles en scolarité. Donc je pense que cet élément est aussi est très important à, prendre en compte et il va falloir beaucoup agir sur cet aspect-là, notamment le maintien des jeunes filles à l'école, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Alors toujours par rapport à cette euh, question donc euh, d'alphabétisation de la jeune fille, nous avons rencontré Madame Bayer, Bayer euh, Mariama Gamatier, sociologue indépendante, l'une des rares femmes chefs de parti politique, le Rassemblement des citoyens Point Niger nouveau, Racine Haden Kai, épouse et mère de trois enfants, Mariama Gamatier et l'actuelle porte-parole euh, du Front des partis politiques de l'opposition. Elle soutient que l'analphabétisme de, la femme et le manque de solidarité entre femmes leaders politiques sont entre autres des raisons de l'absence des femmes dans les instances décisionnelles. On l'écoute. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à d'autres qui se sont comportés pas comme les politiciens d'aujourd'hui, mais qui nous ont offert les conditions d'aller dans une école publique de qualité. Si je n'avais pas été à l'école, je ne serais pas là devant en train de vous parler. Aujourd'hui, en tant que femme politicienne, vous défendez des valeurs. Est-ce que ces valeurs euh, concernent principalement la situation de la femme nigérienne Je suis une femme politique, je ne suis pas une femme politicienne. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les valeurs, sur les principes, sur l'éthique, sur la transparence, sur l'équité, sur la justice, parce que c'est ça le fondement, le socle de la démocratie. Et quand on bafoue tout ça, il n'y a pas de démocratie. Donc je parle de l'éducation parce que c'est fondamental de voir les enfants du Niger partir à l'école. En tant que femme politique, c'est important parce qu'il nous faut des patriotes vraiment techniquement compétents et comme on dit politiquement conscients. Et surtout pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont discriminées par rapport à l'accès à l'éducation. Donc la disparition de la femme aux plus hautes fonctions de l'État, au plus haut niveau politique, commence avec la diminution de sa présence dans le cursus scolaire et universitaire. Quel que soit le secteur que vous allez prendre aujourd'hui, vous allez trouver des femmes compétentes. n'est pas parce que les femmes ne sont pas capables, parce qu'ils savent que du point de vue des idées, du point de vue de la discussion, du point de vue de l'argumentation, les femmes sont capables. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils ne sont pas de culture démocratique, donc maintenant, on essaie de créer les divisions entre les femmes. Et ça, c'est un gros problème au niveau des mouvements féministes des femmes. Il faut que nous arrivions à mettre de côté nos petits égaux, petites rivalités, pour faire en sorte qu'on fasse le consensus sur l'essentiel. Nous sommes fortes ensemble, nous sommes fortes dans notre solidarité et c'est ensemble que nous pouvons réussir. Vous venez d'entendre Madame Bayar Mayama Gamache. Alors, je me tourne vers Docteur Souley Rabi discrimination et division sont des mots-clés euh, de cet entretien que vous venez d'entendre. Et qu'est-ce que cela suscite en vous Bon, euh, moi je pense que il y a un adage qui dit toujours que c'est dans l'union qu'on arrive à construire une force conséquente. Le mouvement féministe doit s'unir, mettre toutes les tendances dans le même moule et pouvoir avancer dans l'intérêt, dans l'intérêt collectif des femmes. Quand elle parle de division, certes, moi je pense qu'elle parle de division sous l'angle politique. Bien sûr. Oui, elle parle de division sous l'angle politique. Et je pense que si on met la démocratie en avant, on peut transcender toutes ces divisions parce que je pense que l'élément clé qui nous réunit, quel que soit notre, qu'on soit de gauche, de droite, ou de, de, gauche, de droite, ou du centre, moi je pense que le plus important pour nous, c'est d'aller vraiment vers le respect des principes de la loi fondamentale, qui est notre constitution, et le respect des principes démocratiques. Si nous avons tous cette culture citoyenne, ce respect des principes démocratiques, je pense que on arrivera à adresser tous les mots qui nous assaillent et qui empêchent aux femmes vraiment d'aller de l'avant dans leur mouvement de lutte féministe. Parce que comme l'a dit Mme Bayard, moi je suis d'accord avec elle, il faut qu'on retourne en amont pour régler les principes de base, que chaque petite fille, chaque enfant ait accès à l'école et qu'il achève son cursus, qu'ils aient accès à une certaine autonomie, une autonomisation, que ce soit de la femme, de tout un chacun, sur le plan économique. Je pense que c'est des éléments importants, qu'ils aient accès, bref, à un mot, aux services sociaux de base. Donc, si on règle ce problème d'accès, et surtout sous la base, bannière de l'équité, parce que l'équité doit être vraiment la base et le fondement de tout ce que nous faisons. Si donc cette équité est, bien respectée et qu'on retourne à la arrière, je pense qu'on y arrivera et on respecte le principe citoyen, la démocratie et la loi fondamentale qui est notre Constitution. Merci. Alors, euh, Balkissa Djibril Abarchi, êtes-vous bien euh, d'accord sur le fait que les femmes sont vraiment divisées sur le plan politique euh, Moi, je vois plutôt <clears throat> cette question de division sous deux angles. Parce que elle a parlé de solidarité, d'une absence de solidarité entre les femmes. Maintenant, cette solidarité qui est recherchée, moi, je la vois sous deux angles. D'abord, il faut certes une solidarité entre les femmes. Donc là, c'est en parlant de la cause de la femme. Donc les femmes, elles doivent être solidaires chaque fois qu'il s'agit de défendre les droits, qu'il s'agit de défendre la cause de la femme. Maintenant, l'autre aspect de cette solidarité, c'est la question de solidarité politique. Bon, là, sur ce plan, je ne suis pas tellement d'accord avec cette solidarité parce que et la politique, c'est une question d'idéologie. Chacun a une idéologie à défendre. Donc je pense que ce n'est pas parce que cette femme, elle les femmes que l'autre femme va laisser euh, peut-être son parti politique pour appuyer l'autre femme. Donc moi vraiment je vois la solidarité sous deux angles. Il faut certes une solidarité, mais la solidarité moi je la vois plus du côté de la défense des intérêts des femmes. C'est-à-dire, quelle que soit la sensibilité, quel que soit le bord politique, lorsqu'il y a une question qui touche les femmes, il faut que les femmes toutes ensemble qu'elles parlent le même langage. Maintenant, sur la scène politique, là, c'est vraiment une question de détermination. Il faut se battre. Mais chaque fois qu'il y a une question qui touche à la femme, eh bien, les femmes, elles doivent s'unir, elles doivent être ensemble pour la défense des causes. Alors, alors à Adamo, donc à Ramatou de, Lumana, vous étiez en train de parler de la discrimination. Je sentais que vous vouliez euh, aborder cette question. Maria en a parlé, la discrimination que subit les femmes. Merci, madame. Et je vois là, je suis parfaitement d'accord avec madame Gabanti. Les femmes ne sont pas solidaires. Je l'ai dit tout de suite. Et cette manque de solidarité se traduit sous deux angles, comme l'a dit la SCG. Alors, pour gagner du temps, on, va, on va aller sur la discrimination. La discrimination, c'est la discrimination à l'interne même. Les femmes dans un même parti politique même. Quand il s'agit d'un poste ou de quelque chose, pour les intérêts de l'autre, elles peuvent se rebeller parce que il y a toujours des gens qui sont derrière pour les rebeller contre X ou Y. Entre elles, il manque cette solidarité-là. Quand il y a une question féminine qui est là, au lieu de se rabattre sur leur consoeur l'appuyer pour que ça marche, ah, on va déposer sur des, euh, pots de bananes afin qu'elles glisse et qu'elles n'aboutisse pas. Il y a cette, cette manque de solidarité. La solidarité encore, il y a des luttes des conventions, des ratifications auxquelles notre pays s'était souscrit. Et ces conventions n'aboutissent pas parce que les femmes ne parlent pas sur le même, le, n'ont pas la même vision. Alors parlons de cette loi sur les quotas, euh, sur le quota au Niger. Le vendredi 27 octobre 2014, l'Assemblée nationale du Niger a voté une loi qui rehausse le quota des femmes aux postes électifs de 10 à 15 pour les postes de nomination aux hautes fonctions de l'État. Ce quota passe à 25 Pourtant, les femmes représentent à peine 20%, soit 8 femmes ministres au lieu de 10 sur les 40 membres du gouvernement actuel. Mhm. Sur les 171 députés à l'Assemblée nationale, seulement 25 sont des femmes alors qu'elles devraient être 27. Euh, Quelle explication Merci, madame. Et l'explication est toute simple, parce que lors de la composition des candidatures, il y a une sorte de tutorat qui s'impose. Ce ne sont pas, vous ne êtes pas sans savoir que nos hommes-là, lorsqu'il s'agit de postes, ce ne sont pas les femmes les plus représentatives et les plus valables qui, peuvent postuler. C'est à l'époque, quand il y a un poste qui est là, qu'il faut trouver une femme. Les femmes qui retorquent, qui ne, qui, qui ne marient pas les idées des hommes, qui peuvent s'opposer quand elles parlent, ces femmes-là ne sont pas les bienvenues et on les écarte à tout bout de chemin. Ils feront tout pour les écarter. Toute femme qui a un franc-parler, qui a l'expression aisée devant les hommes, il ne passera pas. Ils vont tout faire pour la barricader, pour, placer des boucs émissaires devant cette femme-là, afin que cette femme ne l'admette pas au but recherché. Donc, ici, on ne peut pas, il y a la discrimination revient la discrimination revient. Donc ici, on ne peut pas avoir la loi sur le quota, d'autant plus que les femmes qui sont représentatives aux, yeux même des populations, celles qui font la politique, la politique, celles qui sont connues du grand public, si celles-là ne sont pas des candidats, vous voyez que même si on promeut d'autres, elles ne peuvent pas passer. Alors, euh, euh, je suis avec Balkissa Djibril Abarchi. Pourquoi ce quota n'est-il pas souvent respecté euh, dans la composition du, gouvernement ainsi qu'au Parlement nigérien Alors, pour parler eh, de ce quota-là, c'est vrai, il y a eu euh, tout récemment. On va aller rapidement. D'accord. Un rehaussement eh, du quota qui est passé pour les postes électifs de 10% à 15%. Maintenant, pour les postes nominatifs, il y a une nouvelle disposition qui a été rajoutée, celle des voies de recours en cas de violation eh bien, à chaque fois, on assiste à des violations de cette loi sur le quota. Mais du côté des femmes, qu'est-ce qui a été fait C'est le plus souvent sortir, faire des déclarations, peut-être qu'on n'est jamais allé vers les marches populaires, mais ça ne résout pas le problème. Au début, avec la loi 2008, il y avait pas, il y avait certes une voie de recours qui a été prévue, mais la procédure n'a pas été déterminée pour dire voilà à quel moment qui peut saisir quelle juridiction et comment. Et ça, c'est un obstacle. Ça, c'est un obstacle. Donc, cette fois-ci, il y a une tentative de correction, parce que moi, j'appelle ça tentative de correction. On a dit que pour les postes nominatifs, les associations de défense des droits humains, par exemple, peuvent saisir la juridiction compétente en cas de violation, en cas de non-respect de cette loi sur le quota. Mais jusque-là encore, on n'a pas dit voilà la procédure à suivre devant cette juridiction-là et comment cette juridiction peut être saisie. Et même les femmes, parce que nous, au niveau de l'association des femmes juristes, on s'est pris à temps, on a eu à faire des sensibilisations pour les femmes en politique pour leur dire écoutez, il y a des voies de recours qui ont été prévues en cas de non-respect. Parce que à plusieurs reprises, des femmes ont été évincées de leur poste après les élections euh, pour ignorance elles ne savent pas comment faire pour rentrer dans leurs droits, et n'ont pas pu saisir les juridictions compétentes. Donc, on a commencé les sensibilisations à temps. Mais avec tout ça là, on constate que il y a encore euh, cette euh, euh, violation de la loi sur le quota qui persiste. Et là, c'est seulement au niveau des postes nominatifs où ça se ressent le plus au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée. Avant de Parce ne parle même pas des autres instances aussi. Alors, alors avant de revenir sur les actions que meneraient ces femmes pour rentrer dans leurs droit droits, est-ce est-ce le cas dans les structures des partis politiques euh, Je pense au bureau national, bureau régional ou des communes et quartiers. Euh, docteur Soulerabi. Moi, je pense que comme l'a dit euh, ma consoeur, il y a beaucoup plus de femmes dans les structures de base politique mais au niveau des postes. là, est-ce qu'elles ont quand même un pouvoir de décision moi, je, ne sais pas. Hein. Si je regarde au Niger de manière globale, il y a un ordre social qui est bien structuré, qui est marqué par vraiment une domination masculine. Quels que soient les efforts que les femmes vont fournir pendant longtemps, nous allons être sous cette emprise de domination masculine. Il y a certes beaucoup de femmes en politique, mais euh, au niveau des, des pouvoirs de décision, nous allons toujours assister à cette domination est-ce une façon de vous résigner Vous répondrez à la question à la fin de cette euh, émission. Écoutons une fois de plus la présidente du parti Racine Adinkai, Mariama Gamati, pour qui la loi sur le quota n'est qu'une étape vers la parité. Si vous voulez, le quota, c'était une étape vers l'équité, vers la parité, vers la compétence, vers le choix des personnes qu'il faut aux places qu'il faut. C'est une étape pour aller vers plus de justice, vers moins de discrimination. Et en cela, le quota peut être une bonne chose. Mais même malgré ça, il n'est pas mis en œuvre, il n'est pas effectif parce que je vous ai dit, il y a cette résistance, il y a le non-respect de la loi, mais il y a aussi la faiblesse de la lutte des femmes. Mais ce n'est pas simplement un combat de femmes, c'est un combat de l'ensemble des démocrates c'est un combat de tous ceux qui croient à l'équité et aux droits de l'homme. C'est un combat de femmes, c'est vrai. Ce combat doit être porté par les femmes, mais il faut qu'il soit amplifié. Il faut que les autres démocrates leur emboîtent le pas. Parce qu'aujourd'hui, le PIB, les femmes contribuent au PIB, au PNB. C'est elles qui travaillent à longueur de journée pour faire vivre les familles. Les hommes s'en vont. Ils vont en exode pendant toute l'année. Qui fait vivre les, les... Parlez de la femme rurale. Je parle même des femmes urbaines. Les familles aujourd'hui sont portées à bout de bras par les femmes. La présidente du parti Racine Hadin Kaï, Mariama Gamache. Alors on parle du quota, du non-respect euh, du quota, mais on pense également à la parité, comment euh, cela pourrait être euh, possible. Là <coughs> j'hésite. Je, vous donne donc la parole à Damou Ramatou de, de Lumana. Bien, on peut partir vers la parité lorsqu'il y a cette cohésion-là entre les femmes, s'il y a l'union sacrée des femmes. Et elle dit que la lutte est faible. Si les femmes ont une prise de conscience, elles ont compris qu'elles sont reléguées au second rang. Et maintenant, dans tous les partis politiques, les femmes doivent se rassembler pour voir les enjeux de leur représentation au sein des partis politiques. Parce que, par exemple, j'ai la liste des partis politiques ici, les bureaux politiques et le nombre de femmes par parti politique. Vous allez voir que. C'est énorme c'est énorme. Donc, même au sein des partis politiques, les femmes ne sont pas représentées, donc leur voix ne peut pas porter. Vous voyez, donc quand vous êtes minoritaire, malgré notre taux, notre taux au niveau national, nous sommes sous-représentés à certaines, à certaines eh, eh, représentations de prise de décision. Lorsque vous n'êtes pas eh, nombreuses devant des gens qui se disent aguerris, qui se disent riches, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont pauvres au Niger. Cinq femmes, sur cinq femmes, vous trouverez les quatre sont pauvres. Donc, quand vous êtes pauvre, ce sont les riches qui, qui, financent, qui financent les partis, les activités des partis. Au ah. finish, donc, vous n'avez pas la parole parce qu'on dit que, on a la coutume de dire, la main qui reçoit est toujours basse par rapport à celle qui donne. Balkis Adjibril Abarchi, comment arracher ou comment faire respecter euh, euh, cette loi sur le quota, on laisse de côté ces sensibilisations. On est tous conscientes que le, mal est déjà là, le quota n'est pas respecté, les femmes sont informées, les organisations sont présentes, elles sont sur scène. Aujourd'hui, la situation actuelle euh, des membres du gouvernement, comment faire Alors, comment faire Je vais d'abord commencer par dire que cette idée de parler de quota des femmes elle doit être dépassée. Il faut que les femmes cessent d'abord de dire que c'est notre quota. Parce que la loi a été claire, elle a dit l'un ou l'autre sexe. Il faut l'arracher. Nulle part, on n'a pas dit qu'il s'agit, on a dit qu'il s'agit des femmes. C'est certes les femmes qui sont sous-représentées et on a demandé aux États de prendre des mesures positives pour que ces femmes-là soient présentes dans les instances de prise de décision. Eh bien, je pense que ce quota-là, il doit être dépassé. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut appliquer les textes d'une part et de l'autre, il faut que c'est là qu'intervient cette question de solidarité entre les femmes. Les femmes doivent continuer la lutte et doivent se battre. Cette question de quota d'ailleurs, elle doit même, elle est dépassée. Moi, je pense qu'elle est dépassée. On doit la dépasser. Les femmes, en fonction de leurs compétences, elles doivent se battre. Parce que si on remarque même dans les partis politiques, le plus souvent les femmes, elles occupent les postes secondaires elles sont soit secrétaire générale adjointe ou bien le plus souvent elles sont à l'organisation. Au moment où l'on prend les plus grandes décisions, elles sont affairées à la cuisine et, à, organiser les, rencontres. Et justement à ce propos, euh, docteur Soulé Rabi, donc de, la mouvance, est-ce que cela veut dire que les tâches euh, quotidiennes, le rôle euh, de, de cette femme politique dans son foyer constitue un obstacle pour cette femme nigérienne? Ok. Moi, je me dis que la femme politique, elle a les mêmes capacités en termes de participation euh, au développement. Ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire. Elle peut valablement concilier sa position domestique et sa position politique. Alors, si les décisions sont prises au moment où ces femmes sont affairées à des heures tardives, ces femmes mariées, euh, si elles sont prises à... Moi, je pense qu'on peut concilier. On peut toujours trouver le meilleur mix. Il suffit de se comprendre et de s'entendre. Mais la place de la femme dans la société, jusqu'à demain, dans notre société qui est hautement islamisée, lui interdit certaines pratiques. Et il faut jouer sur ces pesanteurs socioculturelles, ces pesanteurs religieuses. Je pense que le travail, c'est beaucoup plus en amont pour les femmes il faut qu'on travaille en amont d'abord. Et si on travaille en amont, qu'on arrive à une autonomisation de la femme, une acceptabilité de la participation plus pointue de la femme en termes de questions de développement en amont, c'est à ce prix que nous allons, parce que moi je pense que c'est trop tôt pour aller vers la parité, un homme, une femme. Alors, revenons rapidement sur cette expérience euh, de, la toute première dame à se présenter aux élections présidentielles. Madame Bayard, Maria c'était donc en 2010. Beaucoup de choses n'ont pas marché parce que je vous parle de cette discrimination dont les femmes euh, sont victimes. Première femme candidate, première femme candidate indépendante, c'était la première fois ces deux aspects-là. La loi, le législateur n'a pas prévu tout ça, donc j'étais discriminée du point de vue de l'accès au bureau de vote. On était deux candidats indépendants, moi-même et un autre. Donc pour nos délégués au bureau de vote, on avait le même délégué, c'est le code électoral qui l'a dit. Donc ça, c'est la plus grosse discrimination dont j'ai été victime. Premièrement, Deuxièmement, j'étais candidate indépendante, donc je n'avais pas de parti, j'avais des, comités de soutien. Donc le législateur ne s'est appuyé que sur l'existence de parti. Donc on n'a pas tenu compte de la spécificité que je représentais. Troisièmement, il y a cette histoire d'argent aussi, de moyens. Quand on parle le biais de l'argent, c'est ça qui garantit la compétition, donc c'est voué d'avance l'échec. En fait, pour me résumer, c'est principalement la, discrimination par rapport à la loi et la discrimination aussi que d'une manière générale, les hommes politiques exercent à l'endroit des femmes parce qu'ils sont égoïstes, ils ne veulent pas partager. Il y a cette résistance contre, si vous voulez, l'accès des femmes aux plus hautes fonctions politiques de l'État. Alors, Maria Magamache, donc, a euh, un peu euh, parlé de ce dont nous venons de parler. Moi, j'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que vous étiez avec Maria Magamache est-ce que vous l'avez soutenu en ce moment, en 2010 Qu'est-ce qui s'est passé pour chacune d'entre vous Alors, Balkissa Djibril <laughs> On a, on a que 7 minutes. Hein? Euh, oui. Par rapport Ça à, mérite réflexion. à cette question, je reviens encore toujours sur cette question de solidarité. Parce que la question, c'est est-ce que les femmes l'ont soutenue Est-ce que vous l'avez soutenue Est-ce que elle mêmes en tant que candidate avait impliqué les femmes. les femmes pour sa campagne, comment elle a tenu sa campagne, est-ce que ce ne sont pas des hommes qui l'ont <laughs> soutenue Alors, euh, Adam euh, Ramatou de Lumana, vous, comment vous avez euh, vécu cette, euh, cette première expérience d'une femme qui se présente aux élections présidentielles C'est quand même bon de rêver, de penser qu'on peut bien faire. Et nous étions très fiers pour elle de pouvoir battre le pavé. Vous partagez pas ce rêve pour l'instant, je ne suis pas déjà prête pour ça, mais je suis prête pour mon parti. Alors donc, docteur euh, Soulé euh, Rabi, est-ce que vous pensez que ce n'était pas euh, réaliste de, la part de, de Gamati, Mariam Pourquoi non Moi, j'ai trouvé que c'était bien réaliste. Il faut que les femmes osent. Mais de là à la soutenir, je pense que c'est vraiment un autre pas. Parce que comme l'a si bien dit ma soeur, hein, les gens sont liées à certains idéaux par rapport à leur participation au niveau des partis politiques. C'est bien la cause des Quelque chose ne vous a pas intéressé, par exemple, le programme de, Maria Magamachi nous, avons décortiqué son programme. Alors, il n'y a pas d'intérêt pour cette femme, la défense des droits de, la femme C'est quelque chose que vous partagez, que nous partageons, que toutes les femmes nigériennes on partagent Est d'accord, on est d'accord, mais si Maria Magamachi a son programme par rapport aux femmes, nous avons le nôtre aussi par rapport à notre conviction politique et je pense qu'on pouvait peut-être le faire dans un cadre de regroupement. Et c'est ce qui se passe au niveau de nos pays. Quand vous avez des, programmes communs, vous pouvez le faire dans un cadre de regroupement. Si elle nous avait sollicité peut-être dans le cadre de l'association des femmes de notre parti ou de notre conviction politique, peut-être qu'on allait répondre favorablement. Alors j'espère que Marie Magamate est à l'écoute. Nous allons <laughs> finir avec, bien sûr, euh, cette, cette dame qui a osé et qui, qui a quand même fait rêver euh, les femmes nigériennes. J'ai fait la politique en étant leader de la société civile. J'étais à la tête euh, du Rassemblement démocratique des femmes du Niger. J'ai dirigé l'ONG Femmes et Familles et je me suis rendu compte que pour aller encore plus en avant, il fallait que j'entre de plein pied dans la politique en étant candidate aux élections présidentielles, puis en créant moi-même euh, le parti que je préside pour continuer cette action-là sur la base d'un certain nombre de principes clairs parce que l'action politique doit servir l'utilité sociale. Si vous n'arrivez pas, il faut que la graine vraiment germe et que quelqu'un continue le combat. Je veux être à la tête du Niger pour faire en sorte que le bonheur soit le mieux partagé parmi l'ensemble des Nigériens. J'ai toujours été une militante des droits de l'homme avec un grand tâche de la lutte contre les discriminations et l'injustice qui ont été faites aux femmes. Donc, depuis le lycée où j'ai milité dans les mouvements scolaires et étudiants, j'ai été secrétaire générale de l'USN au lycée Kassai. Donc, depuis la conférence nationale, la lutte que j'ai porté pour faire en sorte que les femmes soient et participent à la conférence euh, nationale, j'étais à la tête de cette marche-là du 13 mai 1991. Et nous avons lutté au niveau de la conférence nationale pour qu'au sortir de la conférence, que les femmes soient présentes dans tous les organes issus de la conférence nationale. Nous avons créé avec d'autres femmes le Rassemblement démocratique des femmes du Niger, qui a été le porte-flambeau de la lutte démocratique des femmes au Niger. J'ai été candidate aux élections présidentielles. J'ai un parti politique. Donc je fais partie de ce groupe de Nigériens qui nous sommes impliqués trois ans durant pour faire en sorte d'aboutir à la mise en place du CNDP, le Conseil national de dialogue politique. Donc j'ai travaillé dans des pays en crise comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, comme le Mali euh, et que je sais avec les populations. Je suis sur le terrain. C'est pour ça que je me suis mise en retraite de mes fonctions onusiennes pour revenir sur le terrain. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre aux prochaines élections à vous voir euh, parmi les candidats Bien sûr. Même les, élections qui sont passées, là, je m'étais préparée pour me présenter encore une fois. Mais compte tenu de la manière avec laquelle les élections étaient préparées, là, je suis en train de me préparer pour être prochainement candidate aux élections présidentielles du Niger. Docteur Soulé Rabi, en 15 minutes, euh, qu'est-ce que euh, en 15 secondes, pardon, 15 minutes, en 15 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire moi, ce que j'ai à dire, c'est que les femmes doivent rester vigilantes, doivent rester sur leur garde, continuer à participer au mouvement féministe, pouvoir respecter les lois et mettre en œuvre les lois qui ont été votées et également les conventions qui sont là par rapport à la femme et agir sur les pesanteurs socioculturels et économiques pour pouvoir aboutir d'abord à l'autonomisation de la femme. Surtout commencer par la scolarisation de la jeune fille et l'achèvement de son cursus. Et puis vraiment rendre les femmes autonomes sur le plan financier. Balkissa Abarchi, Djibril Abarchi. Oui. Oui, donc je pense que euh, nous avons les plus beaux textes concernant les droits. Donc le problème qui se pose, c'est leur application. Donc il faut effectivement appliquer les textes comme ils ont été euh, décrits. Et autre chose, dans les partis politiques, les femmes doivent se battre. Dès la base, elles doivent être en tête de liste pour pouvoir en tout cas participer pleinement aux, instances de prise de décision. Madame Ramatou de Lumana, <coughs> pour conclure. Et moi, je veux que les femmes prennent conscience de la discrimination dont elles font face et qu'elles s'organisent pour défendre leurs droits tout bord confondus, afin de mettre en place un mouvement social approprié pour défendre tous les droits des femmes et en même temps être vigilante, comme l'autre l'a dit, sur l'application effective de toutes les lois et les conventions auxquelles le Niger s'est souscrit. Alors, division, discrimination, manque de formation, de scolarisation sont entre autres des obstacles qui freinent euh, l'évolution ou l'émancipation de la femme politique nigérienne. Euh, très ravie d'être restée en votre compagnie pour ce forum. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.